you de Dans un premier temps, c'était circonscrit au conseil Après, ça a été élargi à toutes les communes. Et plus tard, c'est à savoir euh, les hauts le conseil Alors, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit de réfléchir sur des thématiques qui sont identifiées qui concourent au développement de Kermessar. c'est qu'il s'agit d'un département qui vient d'être créé il n'y a pas longtemps, il y a juste un an, et qui a besoin euh, de ce genre d'initiative. Parce que tout le monde suit l'actualité, création le monde sait accorde une attention particulière au département de Massa, Il fait beaucoup d'investissements. Mais nonobstant tous ces, efforts, il y a encore des choses à faire. C'est pourquoi le cadre de concertation a estimé devoir se réunir aujourd'hui réunir euh, toutes les forces vives du département pour pouvoir euh, apporter leur contribution à partir à, à travers les rapports sera finalisé demain et soumis à toutes les autorités. Ce rapport va servir euh, de à la décision. Parce que le maire, le président du conseil départemental, et le gouvernement et la sur le La synthèse des préoccupations des populations et sauront sur quel levier agir pour pouvoir régler les problèmes de voilà le sens qu'il faut donner à ce forum, à sa deux choses différentes. En fait, le forum, il est organisé par le cadre le des l'État. Et dans quelques la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Le département de Kër a l'honneur de, recevoir ministre. de Il sera présidé par M. le ministre de sera le 1er mars à Yembol. Comme vous l'avez dit, c'est parce que c'est une préoccupation pour euh, la protection civile à Kër que sûrement nous avons été choisis par l'autorité pour voir célébrer cette journée. les autorités travaillent de façon générale pour renforcer le dispositif de sécurité en Dakar, aussi bien euh, du côté de la gendarmerie, de la police, comme des conseils. Les choses vont arriver, peut-être bientôt, Alors voilà, au cours de la projection, justement, ils ont soulevé une question qui dépasse véritablement la compétence des collectivités territoriales. Aujourd'hui, vous qui êtes l'autorité compétente, il faut vous pallier aux, comment dire, les difficultés liées à l'assainissement et Oui, comme vous venez de le dire, hein, euh, l'importance de ce forum, c'est que ça va permettre d'identifier et de, de, sérier, de catégoriser les préoccupations. On saura quelles sont celles-là qui relèvent de la compétence des maires, des, communes Quelles sont celles-là qui relèvent de la compétence du conseil départemental Quelles sont celles-là qui relèvent de la compétence de l'État central hmm? les moyens n'étant pas les, mêmes, les possibilités n'étant pas les mêmes, chacun saura ce qu'il pourra faire. Et c'est ça qui va donner des résultats à l'action collective qui sera, menée à l'issue de, de ce, travail. Donc l'assainissement étant, une affaire qui euh, interpelle directement l'État, je crois qu'il y a un ensemble de projets qui est en train d'être réalisé, comme le projet 2, c'est celui qui me vient à l'esprit comme ça, et dont le département est, principalement bénéficiaire. Euh, L'État va continuer dans ce, sens-là, jusqu'à ce que toutes les zones soient couvertes. Alors, si vous faites référence au CRD spécial, sur le plan spécial de développement, ça, euh, ce que je peux vous dire, c'est que le document est, est terminé, l'élaboration du document est terminée et soumis à l'autorité. C'était une commande du président de la République qui, à l'issue de Djoko avec euh, Maki, il avait, il avait initié, avait demandé au ministre des politiques territoriales d'organiser ce CRD ici. Ça a été fait avec l'ensemble des forces du département. Des propositions ont été faites. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé euh, l'intervention du député, de l'honorable député Marie Toudien, qui a demandé à ce qu'on fouille, qu'on fouille davantage pour voir quels sont les programmes en cours de l'État, quels sont les programmes, les projets déjà prévus par l'État pour éviter qu'il y ait des répétitions dans le document qui sera soumis à, l'autorité. Parce que dans un futur proche, il y aura des réalisations sûrement qui seront faites par l'État et qui ne devront pas normalement figurer dans le, dans le document de base. waaw comme ni mu ko waxee bis bi euh, monsieur le ministre des collectivités territoriales monsieur Mamadou Talla moom moo ko waroon a jiite waaye mu am ngat ba tax ñëwul euh, ma am euh, honneur am mbégte wu teewal ko fi ànd nag ak conseil technique boo xam ne ni yebal na ko muy madame Lalla Aïcha Fall mooy focal collectivité territoriale ñëw gunge ñu ci liggéey bi forum bi muy forum bu am solo cadre de concertation des femmes élues du de Kër Massar initié ko ñu war ci xalaat ñaari fan pour tënk ci benn document euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñu am na ci biir département ñu mën ko jébbal kilifa gu nekk ku ci nekk mën ko bay sa waar ku nekk nag xam na état bi ñu ngi def ay jéego biir département dëkk bi ñu ko créé gis nañ projet yi fi nekk lu mel ne projet bi mi lu mel ne AGEROUTE mi ngi liggéey ci ay autoroute ci nu mu tuddati yoon yi lu mel ne euh, Promoville mi ngi liggéey mais euh, malgré effort yooyu am na lu des lu bari loo xam ne war nañu ko liggéey loolu mooy mooy solo daje nga xam ne nii jigéen ñi nga xam ne nii élire nañ leen ñu organiser nañ ko tey donc bu ñu fi jógee li ñu fi tënk ci ay xalaat donc mu nekk xalaat yoo xam ne ni ñëpp lay bàyyi ko parce que du jigéen ñooñu rek ñoo koy def dañoo woo képp koo xam ne ni am nga baat ci département bi nga ñëw mën a mën a joxe sa xalaat bu ñu paree boole yëpp tënk ko def ko rapport boo xam ne ni dañu ko séddale ci kilifa yëpp ku ci nekk nag man comme ni ma ko waxee nga bay ci sa waar xam ci lan moo ci sa ba doxal ko mairie xam ñu ci war war a def président conseil départemental xam luñ ci war a def waaye état bi ak yeneen partenaires yi ku ci nekk aussi xam li nga ci war a def ba dugal sa bu ñu ko defee ci leeg ji bu gàtt incha allah danañ gis beneen xar karam ci suñu département bu Kër Masar. Thank you.

loolu liggéey boobu pare nañ ko yàgg na rapport bi pare na ministre bi jébbal na donc yaakaar naa ñaari yëpp loolu yu bokkul waaye nag lu ci mën di am ñu jàpp ne xalaat du doy parce que toog di waxtaan toujours dafa am solo même forum bi man damay bëgg chaque année ñu def ko pour évaluer yan def lan fi réaliser lan dana tax ñu xam fi ñu jëm parce que bu fekkee ne tracé nga yoon bi ngay jaar day tax euh, li ngay def day leer te doo juum ci li ngay def loolu mooy solo suñu ko solo suñu waxtaan wi ñu je na ko ko wax ci salle bi bu njëkk dañ daan toog euh, dëkk yi di leen di leen pencoo woo ñëpp ñu toog loolu la ñu a dekkal fii ci Kër Massar nga xam ne nii département bu bees la dafa laaj ñuy waxtaanee problème yëpp incha allah. ñun danañu ci jàpp danañu ci liggéey danañu ci ànd ak képp koo xam war na ci ànd pour que li leen mën a sax pour que li mën ñu mën am pour njëriñ je crois que

muy lu am solo muy loo xam ne ni également moment bu am njëriñ la boo xam ne dañu mën a waxtaan jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu protection civile parce que wax nga ko bu dee Kër wax ne localité la boo xam macha allah ci wàllu am na solo wàllu ay accident aussi yu fréquent la ci yoon yi ci kër yi donc journée boobu journée la boo xam ne suñu journée la journée la boo xam ne ni bu ñu yitteel la ñu ciy woo ñëpp yaakaar naa bu ñu ci tollee ministre bi dana wax nga fas nañu département bi ko ci de façon générale kaaraange muy gendarmerie police Vous savez, le développement est transversal. C'est l'affaire de tous. N'est-ce pas le, le, développement est transversal. C'est l'affaire de tous. Le, développement, le conseil départemental à lui seul ne peut pas développer ce département une commune avec son, son, maire ne peut pas développer ce département. Il faut l'apport de tous. Et le cadre est institué pour jouer son rôle, faire sa participation, sa partition. N'est-ce pas Le cadre est venu à son heure. Elle regroupe des femmes d'expérience, de compétences, qui vont réfléchir aujourd'hui à travers les différents ateliers pour produire quelque chose qui nous permettra euh, qui permettra au département de faire son euh, envol. Et nous, nous faisons confiance à ces femmes-là, à ces braves femmes qui viennent euh, de, lancer le premier forum économique du département, du nouveau département. Et c'est quelque chose que nous saluons. Et nous sommes derrière derrière elles, pour les accompagner. elles vont réfléchir sur tous les défis qui nous interpellent, parce que les défis sont énormes n'est-ce pas Ils sont là, n'est-ce pas Tout est défi ici, dans ce département. Tout est défi, parce que c'est un nouveau département qui manque de tout, n'est-ce pas Je l'ai toujours dit, sur tous les plans, n'est-ce pas Et ils vont réfléchir, n'est-ce pas, ensemble, avec nous tous, nous allons réfléchir ensemble pour maintenant proposer, comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, proposer des pistes de solutions. Après avoir trouvé des pistes de réflexion,

Euh, préfet wax na ko sax sànq ci discours am mom tamit yalla daf ñu may ñu am ci département lu benn département amul ndax ay femmes élues yu jóg former benn kuréel pour développer seen département Kër Massar rek la am c'est ce que les femmes du département les femmes élues ont fait donc créer nañ sen cadre tey nak dañu ñëw ñom pour xalat jafé jafé yi nga xamné département bi am na ko ñu xalat ci

ñun dinañ leen accompagner a baax. ok yi waaw jafe-jafe yi moom bari na euh, Kër Massar xam nga c'est ko nouveau département le dernier le tout nouveau département manque li ma ko waxee sànq ci tubaab amul dara dafa dafa nekk département boobu dañ ko créé nii mais dooleem bareegul ci wàllu infrastructure ak wàllu. bu ne ba ci walu budget département bi budget la boo xam ne mënul pratiquement ay salaire rek lañ ci mën a fay parce que un budget de 30 313 millions kooku pour département bu mel ni Kër Massar ak dif yi nu mu bare jafe-jafe yi nu mu bare pratiquement mënul lu bare donc loolu ñoom yëpp dinañ ko intégrer ci seen i seen i travaux pour que ñu mën a seet naka la ñuy trouver ensemble ay solutions wala boog proposer des pistes de solutions et que kilifa yi su boobaa

Euh, président de la république waxoon ne le 15 avril nañ ko jox indil indil fi donc maa ngi waxtaan sank maa ngi pourtant sànq rek maa ngi ci waxtaan ak monsieur le préfet mu ñu ma bon ministre mu président donc CRD bobu aussi la fa tukkee ci xam-xam ci xalat lolu aussi buñ ko buñ ko kiiwee dana am solo ci département té ñi ngi yaakar né bala yaag président de la république dina ci jël ay

nous attendons toujours la mise en œuvre du plan spécial d'aménagement de Kernissa. Un CRD a été tenu euh, l'année dernière, hein, le 5 avril, je me rappelle, sous la présence du ministre de, la, des collectivités territoriales. Euh, le président avait demandé le document final, je pense qu'il l'a reçu. Jusqu'à présent, nous attendons la mise en œuvre. Je pense que le président de la sera sensible parce que le département de Kinsar énormément de N'est-ce pas Le conseil départemental n'a même pas de siège. Et l'élection d'un siège fait partie de ce plan d'aménagement. D'autres n'en n'a même pas de préfecture aussi. N'est-ce pas Il y a beaucoup de choses que nous attendons et que le plan-là pourrait régler. Merci ngir jafé jafé des ngeen gis sunu borom def ci ngir développement wu euh, lu am solo nga gis plan d'action bi nga un plan euh, plan d'action triennal ñu def ci ay yu bari gannaaw fait lancement bi ñu ngi deuxième phase deuxième phase nous avons un contexte particulier Nous avons le président de la République du Sénégal le def 46e euh, département du Sénégal Il léegi a jour pour jour Quand dafa jaadu ñu def évaluation à mi-parcours nous avons fait ndax li ñu doon xaar ci départementalisation bi euh, egsi na wala bu egsiwul est-ce que ñu ngi koy seen wala buñ ko seenul li est-ce que am nañ ci yaakaar loolu moo waral ñu ne loolu lépp nañ ko boole def ay lël muy forom muy tey ak suba ñu fas yéene waxtaan ñun femmes élues yi waaye yemuñu ci femmes élues yi dañ ci boole képp koo xam ne yaa ngi ci Kër Massar di yëngatu

ci yeneen département yi ñuy ñaan yàlla rek projet boobu yàlla nañ ci yàlla defal ndam lépp luñ fi wax yàlla na nekk njëriñu Kër Massar mais itam yàlla nañu yàlla may wërsëgu nit ñi ñu ñëw jàppale si ñu ko ndax itam nag dañoo yàkkamti urgence bi moom signalé la. Euh, sànq madame la secretaire général gis ngeen film documentaire bi ñu njëkk a teg. film boobu dañoo dem sur le terrain dem xool problème yi nga xamante ne moom la Kër masaar am boobu film sax bëgg nañ ko mettre à votre disposition yéen taskatu xibaar yi ngeen mën ñu koo tasal waaye bi ñu euh, yàlla dogalee loolu ñu def ko ba pare daf ñu may nag ñu ne il faut que ñu lëlu wax ci mbirum amélioration du cadre de vie muy suñu muy suñu priorité mais itam ñu war a lëlu ci mbirum développement humain

Nous avons fait ñun document stratégique pour intitulé l'appel de Kermassar. C'est statut le statut de l'élu en tant que conseillère Nous avons ne collectivité adjoint maire ñu ngi nous président du conseil départemental nous Nous vice président conseillers

vous les journalistes qui sont là, qui, vous êtes des partenaires du cadre depuis le début de sa conception. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que vous venez ici, au centre zone de recasement de Kermassar, pour assister à une de nos activités découlant du plan d'action de notre cadre de concertation. Euh, vous voyez aujourd'hui que c'est la deuxième activité. Mais cette activité se déroule dans un contexte particulier. Ce contexte, aujourd'hui, nous permet d'aller vers une évaluation à mi-parcours de notre département. Vous voyez, un an, jour pour jour, aujourd'hui, on a fait un an d'exercice dans nos instances de décision. Euh, et aujourd'hui, on voudrait donc en discuter, parler, essayer de voir avec tout ce qui s'est fait avec l'État du Sénégal, surtout le plan de développement de Kermassar qui a été initié au lendemain de l'élection du département de Kermassar. En savoir où en, sommes-nous Où en est le plan de développement de Kermassar Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui reste à faire Mais nous nous sommes toujours projetés vers des priorités. Parce que Kermassar aujourd'hui doit constituer une priorité du gouvernement du Sénégal. Tellement les problèmes sont là, liés au cadre de vie, lié au développement humain, lié au développement économique, mais aussi lié à la bonne gouvernance locale. Et vous me permettrez de remercier notre ministre de tutelle, M. Mamadou Tala, représenté ici par euh, euh, l'honorable Mme Lala Aïcha, qui n'a aménagé aucun effort pour nous accompagner. Et cela, nous voulons le dire à la face du monde. Merci à M. le ministre Mamadou Tala, qui a compris très tôt que ce ministère aussi stratégique demande une collaboration avec tous les élus du Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons vu la façon avec laquelle il est en train d'approcher les élus et le cadre est allé directement le voir. Et actuellement, il faut dire qu'il est en train de nous, de nous accompagner, de nous capaciter, en tout cas pour réussir les missions de ce cadre. Vous avez dit que vous allez élaborer un plan, un programme, un document mais vous l'aurez à la fin de ces deux journées. Euh, c'était juste un concept qu'on aimerait vous faire partager pour vous dire en tout cas toute l'importance de ce concept-là. Au-delà de Kermassar, ce concept va aller vers tous les élus du Sénégal. Et pourquoi pas d'Afrique Parce que tout simplement, c'est un dénominateur commun aujourd'hui, le sort réservé en tout cas à ces élus-là. Et nous pensons en tout cas que cet appel à la fin de nos travaux sera entendu par nos gouvernants et qu'ils euh, en tout cas prendront en compte en tout cas ce que nous dirons à partir de ces plénières-là. Mais oui, l'État, il a déjà fait, au lendemain, je vous avais dit tantôt, un plan de développement spécial de Kermassar. Mais écoutez, mesdames, nous, on est pressés à Kermassar. On est pressés. Il faut dire qu'on est pressés. Nous souffrons à Kermassar. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, en tout cas, développer d'autres loyers en faveur de la femme en particulier, mais en faveur de tous les hommes. Euh, c'est une à Kermassar. Tout est urgence. Et euh, cela nous amène en tout cas à revoir et à, encore étudier le plan et à amener le gouvernement à prioriser justement ce dernier né des, départements. Là, on va vous dire, le cadre a eu à prendre la tâche de tous les ministères, surtout notre ministère de la femme. Mais malheureusement, il faut le dire, nous n'avons pas eu un retour de Madame le ministre de la Femme. Nous l'avons fait aussi avec M. le ministre du Développement communautaire, entre autres. Mais malheureusement, il faut dire que c'est juste notre ministre de tutelle, M. Momodou Tala, vraiment qui est venu vers nous. Et par ailleurs, Monsieur le ministre du Budget et des Finances, Monsieur Moustapha Abba, qui est venu vers nous pour nous écouter d'abord et voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Et vous nous donnez l'occasion de tendre la main à tous ces ministères-là. C'est vrai que nous dépendons du ministère des collectivités territoriales. Et nous demandons d'ailleurs à Monsieur le ministre de dire à ses autres collègues qui ont des ministères transversaux, il faut le dire, qui occupent le genre et qui occupent des femmes, de revoir en tout cas les relations qu'ils ont entre eux et le cadre de concertation. Nous avons demandé des audiences, nous avons envoyé des correspondances, mais jusque-là où je vous parle, nous n'avons pas eu de retour. Merci. Alors, d'abord euh, dire que nous remercions le, préfet qui est venu vraiment représenter le, ministre en tant que commandement territorial. Mais aussi noter que nous sortons de ce forum, en tout cas à l'ouverture, avec un sentiment de Parce que là, nous venons d'assister à une... Euh, à une euh, activité qu'on peut considérer comme inédite. Pour vous dire avec moi que le département de Kermassar est tout nouveau. Et c'est pourquoi nous saluons l'initiative de ces femmes élues qui ont eu vraiment l'intelligence de porter à main leur destin. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que c'est un cadre qui n'a aucune considération d'obédience politique ni de coloration. Leur seul intérêt commun, c'est vraiment le développement du département de Kermassar. Et ça, c'est à saluer. Et heureusement aussi, les maires vraiment euh, les ont accompagnés dans ce sens. D'ailleurs, lors de leur euh, euh, audience avec le ministre de l'Hôtel, la seule appréhension qu'avait le ministre, c'était est-ce que cette initiative-là vraiment a été appréciée par les maires respectifs. Et actuellement, je crois que la réponse a été donnée par leur présence. Ils je crois qu'ils ont tous été là, ils ont été représentés et ils les ont accompagnés. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est vraiment d'assurer ce qu'on appelle le suivi. Le suivi, parce que ça, c'est un plan d'action qu'elles sont en train de dérouler. Après le, lancement du forum, je crois que c'est la deuxième activité hein, qui est relative à, ce forum-là qui sera hein, euh, matérialisée par deux jours de réflexion durant lesquels, au sort desquels nous, nous, nous des conclusions Hein, qui vraiment auront à égrener les mots, vraiment tous les diagnostics des mots MAUIS du département. Et nous croyons fermement que l'État va les accompagner dans ce sens. Mm. Alors, dire que euh, point de développement sans femmes. On ne peut pas parler de développement sans les femmes. Et les femmes sont là, elles, sont, elles sont assez averties, elles sont assez conscientes de la cause et elles sont aussi très imprégnées de tout ce qui est décentralisation. Alors, le message que je lance à la des, des, femmes, c'est que, que leur détermination soit vraiment à bout. je dis que cette initiative-là doit être en cas d'école. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le la pédagogie par exemple. Actuellement, on parle, on a des difficultés pour, se matérialiser, on dépend de la décentralisation, c'est-à-dire le, de ce qu'on appelle l'intercommunalité. Actuellement, au-delà de l'intercommunalité, on parle de l'interterritorialité. Elles ont fait, la vraiment l'exemple aujourd'hui. Ce qu'elles sont en train de faire, c'est une manière de jeter les bases de l'interterritorialité. Alors on sait que cette inter-entente entre les communes, entre les départements, non seulement va faciliter le développement, mais aussi va encourager les partenaires au développement. Et c'est pourquoi nous les encourageons. Et vraiment, euh, leur souhaiter en tout cas bon courage et bonne réussite. Et je sais qu'elles euh, ils vont, réussir. Voilà, merci. Si wolof <laughs> waaw di leen di remercier rek di wax nag bëgg woon na yëkkati kàddu parce que bëgg wax si préfet mais nag comme vous ngeen incité di remercier vraiment les femmes de du cadre de concertation tey jii dañ fi ñëwoon représenter le ministre di nga xam ni femmes yi dañoo ñëw si ñoom waxtaan ak ñoom si loo xam ne dafay ñogal développement euh, Kër Massar te tey jigéen ñi wane nañ lu am solo parce que olof Ndiaye def naa def naan ñaari loxo mooy takk sër ñaari loxo mooy takk tubéy waaye tey wane nañ ni benn sër mën naa ëmb fukki tubéy tey loolu lañu wane lii ñu def tey ji lu am solo la loo xam ni suñu xel dafa dal lu tax suñu xel dal mooy que ni ñëpp ñi nga xam ni euh, les femmes élues six communes yi ñoom ñëpp seen ay maire ñu ngi taxaw